le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou auditeurs et auditrices du Studio Kalangu. bonsoir. Merci de recevoir les programmes du Studio Kalangu sur environ 20 radios partenaires à travers le Niger. Bienvenue dans le forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous donne une large vue de l'actualité au rythme du Niger. Journée mondiale de lutte contre, de lutte contre la drogue hier dimanche 26 juin 2016. Quels sont les dispositifs mis en place par l'État pour lutter efficacement contre les trafics de drogue de tout genre? Vous entendrez Amadou Morou, vice-président de la Commission nationale de coordination de la lutte contre la drogue dans ce forum. Et puis on en parle cette semaine, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne suite à un référendum organisé. Quel impact pour les pays africains Vous suivrez l'analyse d'un acteur de la société civile. À suivre également dans ce forum le gouverneur de la région de Zender sur la situation agricole de cette région et les mesures prises pour aider les paysans. De malnutrition, il sera question dans ce forum les différents cas, la question et la question de leur prévention ainsi que de leur prise en charge c'est à suivre dans ce forum. Enfin, en sport, nous parlerons de l'annonce faite par le footballeur argentin Lionel Messi de cesser de jouer dans l'équipe nationale d'Argentine suite à la défaite face au Chili en finale de la Copa América. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier la journée internationale de lutte contre la drogue. Occasion pour la Commission nationale de coordination de la lutte contre la drogue, CNLD, de procéder à l'incinération d'une importante quantité de drogue et substances illicites, dont entre autres 1086 briques de cannabis, 379 226 grammes de cannabis et 660 cornets de cannabis, 106 grammes de cocaïne, 2 773 125 de diazépam et 8 157 732 comprimés de tramadol. Ahmad Morou, vice-président de la Commission nationale de coordination de lutte contre la drogue, est au micro de Adama Dawaki. Depuis 1971, euh, le Niger a ratifié toutes les conventions des Nations Unies relatives à la lutte contre la drogue. Euh, parce que aujourd'hui, la drogue menace toutes les populations, que ce soit les majeurs comme les mineurs, c'est-à-dire particulièrement notre jeunesse. Euh, aujourd'hui, la jeunesse est très vulnérable par rapport à ce fléau, compte tenu surtout également de la propagation de, la drogue dans tous les milieux, que ce soit le milieu carcéral, que ce soit le milieu scolaire, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que même dans les écoles, on trouve des chambres indiens, etc. Donc des mesures appropriées doivent être prises pour éradiquer ce fléau. Quels sont les types de drogues qu'on trouve ici au Niger et quels sont les médicaments considérés comme drogues En grande majorité, c'est l'herbe de cannabis. Donc le cannabis en général qu'on appelle la chambre indien, communément appelé chambre indien. Il y a également les, cornets de cannabis, c'est toujours le cannabis. Il y a les cocaïnes. On trouve de temps en temps l'héroïne. Donc euh, ça, c'est suite au trafic international de drogue parce que l'héroïne n'est pas comme la cocaïne, comme euh, le l'herbe de cannabis ne sont pas cultivés au Niger. Donc c'est des drogues qu'on importe, donc c'est ça. Maintenant, il y a des comprimés qu'on appelle le diapason, c'est des comprimés. Il y a le tramadol. Présentement, c'est la drogue la plus utilisée parce que euh, on l'utilise même dans le monde rural. Donc euh, il y a ça et puis bon, il y a l'éphédrine également, donc qu'on utilise. Assez souvent, ça vient de des pays voisins, ça vient de l'étranger. Comme vous le savez, on ne peut pas détruire toutes les drogues saisies. On ne détruit que ceux qui ont fait l'objet de procédures judiciaires qui ont fait l'objet de confiscation et pour lesquels le tribunal a ordonné la destruction. Donc, c'est pas toute la drogue qu'on a détruite hier, mais on a détruit une partie. Maintenant, les drogues pour lesquelles les procédures sont en cours ne sont pas encore détruites. Quand les procédures vont finir, on va les détruire. Quand on saisit par exemple de la cocaïne sur une personne, donc la personne est interpellée, poursuivie par le procureur de la République, on la juge. Maintenant, si on juge cette personne, maintenant, en ce moment, le tribunal peut ordonner la destruction, la confiscation d'abord, puis la destruction de la drogue, par exemple l'herbe de cannabis. Maintenant, il faut que toutes les voies de recours soient épuisées. Quand on juge une personne, on dit, vous avez un délai de par exemple, de 10 jours pour faire appel. Et le procureur général a également un délai pour faire appel. Donc, c'est quand toutes les voies de recours sont épuisées, c'est en ce moment qu'on peut avoir l'autorisation de détruire la Hier, lors de l'incinération de ces drogues, vous avez évoqué l'aspect financier en soulignant le manque d'un budget. Qu'est-ce qui explique euh, ce manque d'intérêt selon vous Bon, vous savez, c'est vrai, les préoccupations sont énormes dans tout un État ou dans chaque État. Nous avons beaucoup de préoccupations. Peut-être que euh, notre voix n'a pas encore porté pour qu'on prenne en considération euh, ces fléaux qui gangrène notre société, parce que dans tous les cas, les, les textes législatifs ont été prises. Le cadre juridique est là. Donc maintenant, c'est à nous, la commission de coordination, d'aller vers les autorités pour les sensibiliser peut-être davantage euh, par rapport à, euh, à ce fléau. Donc peut-être que c'est ça, mais présentement, il n'y a pas une prise en charge en tant que telle. Euh, en tout cas, il n'y a pas un budget affecté à la commission pour lui permettre de mener à bien la mission qui est la sienne. Mm, bon, oui, pour les budgets, il n'y a pas de ONG qui interviennent, mais par contre, la commission est composée de plusieurs structures, comme nous, avons eu à le dire hier. Il y a des ONG qui interviennent pour, dans le cadre de la lutte contre la drogue, mais pour les budgets, assez souvent, bon, on, fait appel aux partenaires, on fait appel aux budget de l'État pour prendre en charge les différentes cérémonies et les différentes sensibilisations. Si les moyens ne sont pas disponibles pour lutter contre ces fléaux, qu'est-ce qui peut se passer Ce qui veut dire qu'il sera difficile d'éradiquer ce fléau parce que là, là vraiment nous sommes en danger. Je pense que nous avons interpellé le gouvernement hier. Je pense que le gouvernement a entendu notre cri d'alarme et j'espère qu'il va faire quelque chose. Je lance un appel pressant à toutes les bonnes volontés pour qu'ensemble nous luttons contre ce, fléau. ensemble sensibilisant, en faisant une éducation à la base, parce que l'éducation, ça commence à la maison, en éduquant nos enfants. Amadou Morou, vice-président de la Commission nationale de coordination de la lutte contre la drogue, il répondait aux questions de Adama Dawaki. Le vendredi passé, les électeurs britanniques ont majoritairement voté par référendum en faveur du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le départ de, la Grande-Bretagne de l'Union européenne aura-t-il un impact sur les relations entre l'Afrique et la Grande-Bretagne c'est des questions que l'on se pose. La question suscite euh, en effet beaucoup de commentaires à Niamey. Selon l'acteur de la société civile, Hassan Boubacar Diaba, beaucoup de choses vont changer dans les relations entre le Royaume-Uni et surtout les pays anglophones d'Afrique. Hassan Boukar euh, au micro de Mokhtar Hamadou. bonjour. Bonjour. La semaine dernière, euh, le Royaume-Uni, à travers un référendum, s'est retiré globalement de l'Union européenne. Quelles conséquences pour l'Afrique et pour le Niger je pense que la conséquence, c'est d'abord pour les Britanniques eux-mêmes et pour euh, l'Union européenne. Apparemment, selon les informations qu'on a eues, c'est pour la première fois qu'un membre quitte l'Union européenne. Et apparemment, c'était pas attendu de la plupart des Européens, en dehors de ceux qui croyaient fermement à leur volonté de quitter. Et donc, les premières conséquences, pour moi, c'est d'abord pour les Britanniques et les Européens. Pour l'Afrique, est-ce qu'il y a des conséquences Peut-être oui, parce que c'est quand même une ancienne puissance colonisatrice qui a continué à garder des relations avec euh, certaines de ses anciennes colonies, comme le Nigeria, comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud ou le Ghana, en tout cas l'Afrique anglophone. Pour ces pays, euh, probablement il peut avoir des conséquences qui peuvent être liées à, par exemple, des accords qui existent entre euh, l'Union européenne euh, et ses pays, accord euh, qui impliquerait directement donc la, la Grande-Bretagne. Alors aujourd'hui que la Grande-Bretagne ne répond plus dans l'Union européenne, est-ce que ces relations vont changer Est-ce que ces accords vont changer Maintenant, l'autre conséquence qui est pour moi la plus importante, sur le continent, on essaie de faire aussi des unions, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, dans d'autres parties de l'Afrique. La plupart de ces unions sont calquées un peu sur l'Union européenne. Ce type d'intégration qui ressemble à l'Union européenne peut aussi vivre les mêmes conséquences que l'Union européenne vit aujourd'hui. Par exemple, une des raisons que j'ai entendues du départ euh, de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, c'est dû au fait que les citoyens britanniques ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés leurs peurs ne sont pas entendues par les dirigeants, leurs attentes ne sont pas très bien traitées et ils ont l'impression que finalement leur souveraineté leur échappe. Là, on est dans un contexte européen où quand même, quelquefois, les citoyens sont consultés sur des questions majeures. Sur le continent africain, dans les types d'intégration que nous essayons de développer, les populations sont rarement consultées elles ne sont presque jamais consultées. C'est des décisions qui sont prises par les dirigeants. Et donc, lorsque vous vous trouvez dans un contexte où les gens considèrent qu'ils ne sont pas entendus, que les dirigeants ne prennent pas en compte leurs peurs, leurs attentes, etc., etc., et donc, on peut aussi vivre peut-être sous des formes différentes, ce que l'Europe a vécu avec la Grande-Bretagne. Donc pour moi, l'une des conséquences, c'est que les Africains essaient aussi d'étudier pour mieux comprendre pourquoi cela est arrivé. Euh, certains disent en Europe que les pro-Brexit ont fait campagne sur des fausses bases en jouant sur la peur, la peur de l'immigration par exemple, etc. Dans le contexte africain où le niveau de culture politique et souvent en deçà de ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, on peut aussi se retrouver dans des situations où, lorsque les populations considèrent que leurs peurs, leurs attentes ne sont pas souvent prises en compte, on peut faire face à des aléas, à des conséquences multiples euh, du fait que on a des intégrations qui restent à un niveau institutionnel ou des président se rend compte, des ministres se rendent compte, mais la population, elle, au nom desquelles les décisions sont prises, elle est totalement out. On lui demande simplement d'accepter de subir des décisions. Et donc, à mon avis, ça peut avoir des effets pervers aussi sur le continent si on y prend garde. Mais Abba, ah est-ce que le départ du Royaume-Uni euh, de l'Union européenne n'aura pas un impact euh, certain euh, sur les échanges commerciaux entre le Nigeria et entre le Niger et la Grande-Bretagne, par exemple Je pense qu'il y a des pays qui ont développé des grandes traditions de commerce et c'est lié à l'histoire de ce pays. On parle par exemple du Kenya qui exporte euh, de grandes quantités de fleurs vers la Grande-Bretagne. Donc ces types d'exemples sont donnés. D'autres se demandent par exemple des rapports sur de la monnaie. Il y a des questions sur les finances, sur l'économie, probablement qui sont posées par des pays qui ont une grande tradition d'échange euh, de des relations commerciales avec la Grande-Bretagne. Je n'ai pas connaissance que le Niger fasse partie de ces pays qui ont une grande euh, tradition, mais quand vous parlez du Nigeria, j'imagine que, évidemment, quelque chose va changer dans leurs relations, parce que les relations se sont passées jusqu'à présent à travers l'Union européenne, la Grande-Bretagne est un membre. Mais désormais, le fait que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, évidemment, les choses vont changer. Il y aura désormais des discussions bilatérales, des décisions directes. Est-ce que les anciennes discussions vont être totalement remises en cause Je me pose la question. Est-ce que la Grande-Bretagne aujourd'hui, le fait qu'elle soit seule, et parce qu'elle aussi, elle a quitté pour mieux euh, développer son économie, pour avoir des meilleures relations avec ses partenaires de par le monde. Est-ce que ça aura un impact sur les pays africains J'imagine que oui, mais pour l'instant, peut-être que c'est un peu tôt pour savoir quelle va être la nature de cet impact sur le type de relations avec les pays d'Afrique. Hassan Boukar, euh, tout récemment, un ministre britannique euh, a séjourné ici au Niger. Il a eu à prendre des engagements en ce qui concerne le renforcement des relations entre le Niger et la Grande-Bretagne. Est-ce que ces relations vont continuer à être sauvegardées Je pense que les décisions qui sont prises par la Grande-Bretagne, oui, elles seront sauvegardées, étant donné que euh, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne aussi pour mieux manœuvrer, pour avoir une plus grande marge de manœuvre étant donné que euh, pour une partie des Britanniques, leur intégration à l'Union européenne fait que c'est Bruxelles qui décide à lieu place des institutions britanniques. Et donc le fait que eux, en toute souveraineté, qu'ils prennent des engagements vis-à-vis des pays tiers et qu'ils les fassent parce qu'ils considèrent que c'est cela l'intérêt de la Grande-Bretagne, évidemment, ce type de relations, je pense qu'elles vont continuer. Puisque, euh, encore une fois, les Britanniques veulent mieux renégocier des accords avec leurs partenaires euh, d'Asie du Sud-Est ou d'autres régions parce qu'ils considèrent le fait que les les discussions s'effacent à travers Bruxelles, à travers des accords, etc., limitent leur marge de manœuvre et donc leur intérêt. Alors si, en toute souveraineté, ils considèrent qu'ils doivent renforcer leurs relations avec le Niger sur des questions diverses et tout ça, à mon avis, ces types de relations, elles, peuvent, continuer. Hassan Boukara, est-ce qu'on peut considérer que le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est un déclic pour la désintégration de l'Union européenne elle-même je pense que beaucoup de personnes le pensent. En Europe, les gens ont peur en disant les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Les citoyens britanniques sont les premiers aujourd'hui à exprimer leurs craintes, leurs peurs et leurs euh, désaveux de cette union. Ailleurs, ça peut arriver. Euh, évidemment, c'est une des craintes aujourd'hui qui est mise sur la table. Si ailleurs aussi, les citoyens considèrent, que rester à Bruxelles porte atteinte à leur souveraineté, rester avec Bruxelles, ça réduit leur marge de manœuvre, que ça crée eh, des tensions sur le plan économique, ça crée plus de chômage, que les décisions d'austérité prises à Bruxelles ont des effets pervers sur le pays, que les gens vivent beaucoup plus des conséquences euh, négatives que des intérêts justement de cette union. Évidemment, on peut s'attendre à ce qu'ailleurs aussi, les gens puissent euh, prendre ce type de décision. En Grande-Bretagne, la campagne pour pour la sortie de l'Union européenne a été aussi faite par des partis d'extrême droite. Or aujourd'hui, on fait tous le constat que ces partis-là gagnent du terrain lors des élections en Europe. Le Front National gagne des élections en France. Les dernières élections en Italie n'ont pas démenti justement que ce type de parti gagne aujourd'hui à travers les élections. Et donc, il y a une bonne partie de l'opinion publique européenne qui est acquise justement à ce type de groupe, dont le message de discours est bien connu. Si on reste, l'Union européenne nous impose des migrants. Si on reste, l'Union européenne nous impose des quotas, etc. Vous avez ce constat aujourd'hui qu'on voit en Europe et donc moi je ne serais pas surpris de voir d'autres pays prendre euh, le même type d'initiative que l'Union européenne et que cela puisse euh, évidemment secouer l'Union européenne. Sauf si on retient tous euh, la leçon justement de cette sortie de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Si les Européens se disent on a peu écouter les citoyens de l'Union européenne, qu'on a laissé le faux discours prendre la place du vrai discours, qu'on a laissé un discours totalement populiste, xénophobe, etc., prendre le dessus sur la réalité de l'Union européenne. Et donc, il faut rectifier le tir, il faut prendre les leçons, il faut agir en conséquence. Peut-être que ça peut limiter les dégâts. Mais si euh, je pense que les gens continuent à faire comme avant, on peut craindre justement que d'autres pays prennent l'exemple de la Grande-Bretagne. Hassan Boukara, la Grande-Bretagne se retire de l'Union européenne. Quelle opportunité pour le Niger ben, je ne sais pas si ça nous donne précisément une opportunité. Encore, je n'ai pas une grande connaissance euh, des types de relations que nous avons développées avec euh, la Grande-Bretagne. Est-ce que ça nous offre plus euh, de possibilités sur le plan économique Je ne sais pas. Nous ne sommes pas un pays qui compte beaucoup sur le plan économique. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts pour les Britanniques de développer leurs relations avec le Niger Si oui, euh, peut-être. Mais En tout cas, je ne vois pas pour l'instant des choses très très précises qui vont changer. Mais euh, la Grande-Bretagne, évidemment, elle va définir ses relations avec les pays en fonction des intérêts. Si elle a des intérêts précis au Niger, peut-être que ça peut profiter au Niger. Hassan Boukar, on vous remercie. Merci à vous. Hassan Boukar, acteur de la société civile, propos recueillis par Mokhtar Hamadou. ce début de la période hivernale, les producteurs agricoles s'inquiètent de l'évolution de cette saison en Zander. Selon le gouverneur de la région, Issa Moussa, tout est dans le temps du point de vue pluviométrie. Aussi, un certain nombre de dispositions sont prises par le gouvernement pour le bon déroulement de la campagne agricole. Il s'agit de la mise en place d'un plan de soutien pour appuyer les populations, notamment la vente à prix modéré de céréales et de sucres. Les populations les plus vulnérables, eux, sont elles sont assistées par des distributions gratuites ciblées de l'État, mais aussi de certains organismes humanitaires. Issa Moussa, gouverneur de la région de Zander, au micro d'Ali Keita. Quand euh, on est ici dans la ville de Zander, on est inquiet parce que jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas enregistré des pluies qui peuvent euh, favoriser justement des semis. Je voudrais porter à la connaissance des citadins de Zander que la situation n'est pas la même dans l'ensemble de la région. Alors, pour peut-être euh, donner plus de précision, il est à rappeler que les premiers semis sur l'ensemble de la région ont été enregistrés il y a à peu près un mois. À la date actuelle, sur les 3378 villages agricoles, nous avons 2113 villages qui ont semé. Ça fait 63%. Pourtant, si on regarde les choses l'année dernière, c'était 22. Il n'y a pas à s'inquiéter, surtout quand je couple ça avec une situation phytosanitaire calme. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que le processus d'installation se poursuive et là où elle s'est installée, que les pluies soient consolidées. Sur le plan pastoral, la situation est calme. C'est vrai, il y a quelque temps, on a eu une petite alerte du côté de Belbéji, notamment à Bicaro. maintenant, pour ce qui concerne les appuis, 1600 tonnes d'aliments bêta sont placées pour pouvoir appuyer les éleveurs pour traverser cette période de soudure. Voilà euh, très brièvement ce que j'ai tenu à porter à la connaissance de la population de la région de Zander pour pouvoir tranquilliser un peu ceux qui sont sceptiques. La situation n'est pas du tout mauvaise. C'est vrai que celui qui est dans la ville de Zander, il peut constater qu'il ne pleut pas tellement, mais dès que vous sortez vers Magaria, vous voyez comment la situation est favorable. En ce qui concerne les engrais, nous avons 5000 tonnes les engrais, ce n'est pas dès le commencement de la campagne que ça s'utilise, mais de toute façon il faut les prépositionner parce que ce sont des choses qui peuvent être utiles dans le déroulement de la campagne. Également, des pesticides, parce que la campagne peut être gênée par des prédateurs. Là aussi, il faut envisager des mesures justement pour faire face à cela. C'est ainsi que nous avons en disponible 15 600 litres qui peuvent traité jusqu'à 23 000 hectares. Et nous avons aussi 75 000 sachets de fongicides qui sont là au niveau de la Quand il y a alerte, rapidement, il faut intervenir. Voilà pour ce qui concerne du moins l'évolution de la campagne. Mais je voudrais parler un peu du plan de soutien que le gouvernement a mis en place pour pouvoir appuyer encore la population dans le déroulement de la campagne à l'heure où je vous parle, nous avons 3770 tonnes de vivres qui sont placées dans l'ensemble des 55 communes de la région. Nous avons toujours, dans le cadre de ce plan de soutien, pour ce qui concerne la ville de Zander plus précisément, 200 tonnes de riz plus 200 autres tonnes de vivres placées toujours vente à prix modéré. À côté de la vente à prix modéré, il y a toujours des populations encore extrêmement vulnérables qu'il faut aider à travers la distribution gratuite ciblée. C'est ainsi que l'État se propose de mettre déjà 4000 tonnes de vivres dans le cadre justement de la DGC. Le PAM lui-même, toujours dans son accompagnement, est en train déjà de placer 934 tonnes et Salve Children est en train de distribuer du cash à la hauteur de 455 millions de francs. Vous venez de suivre Issa Moussa, gouverneur de la région de Zender. Parlons malnutrition. La prévalence de la malnutrition aiguë globale continue de autour de 15% au Niger, un taux correspondant au seuil d'urgence fixé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, précise le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, à Niamey. Les régions de Zender, Maradi, Difa et Dosso sont les plus touchées. Selon Dr Momansani, médecin nutritionniste, plus de 40% des enfants de moins de 5 ans au Niger sont atteints de malnutrition chronique dont les conséquences sont irréversibles Qu'est-ce que la malnutrition Comment la détectons Et comment se fait sa prise en charge Autant de questions que Diallo Mariamakenda Kenda a posées à Dr mamansani Sani qui répond en ces termes. En fait, euh, la malnutrition, c'est comme vous l'avez dit, une maladie. Une maladie dit à une carence ou même à un accès. Ça peut être une carence euh, de nutriments, en fait, c'est-à-dire des éléments qui constituent l'alimentation. Ça peut être des macronutriments. Quand on parle de macronutriments, c'est comme les protéines, les lipides, les glucides, tout comme les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, les oligo-éléments. Ça, c'est ça, effectivement, la malnutrition carentielle. Donc, c'est qu'on appelle la sous-nutrition. Il y a aussi l'autre forme de malnutrition qui est a un excès d'apport en énergie, c'est-à-dire euh, la surnutrition. C'est le cas de l'obésité, c'est aussi une malnutrition. Ici au Niger, quel type de malnutrition retrouve-t-on en général Au Niger, euh, le type de malnutrition le plus fréquent, c'est surtout la malnutrition carentielle surtout chez les enfants de moins de 5 ans. C'est elle qui est préoccupante depuis pratiquement un certain nombre d'années. Je dirais depuis pratiquement 2005, elle est devenue un fléau, un véritable problème de santé publique et même un problème de développement, en tout cas au Niger. Donc euh, quand vous prenez pratiquement dans beaucoup de régions, pratiquement dans tous les pays même, le taux de la malnutrition est effectivement aigu, surtout sévère et modéré. Donc je voulais dire la forme globale, en tout cas est inquiétante, en tout cas chez les enfants de 0 à 5 ans. On peut avoir une idée du taux de la prévalence de la malnutrition. Depuis pratiquement 2005, ou dû à la crise, n'est-ce pas, à cette euh, catastrophe qu'il y a eu humanitaire, et depuis lors, pratiquement, le taux de la malnutrition n'a pas véritablement chuté. C'est toujours autour, n'est-ce pas, des seuils d'alerte où ça dépasse même les seuils d'urgence définis par l'OMS. Quand on prend par exemple la malnutrition aiguë sévère, l'OMS dit que, donc, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère franchit, n'est-ce pas, le seuil de 2%, alors la situation est considérée comme une urgence. Et au Niger, actuellement, nous avons des zones où la prévalence de la malnutrition aiguë sévère est à plus de 6%. Je veux dire 6,7%. Quand vous prenez la région des maladies, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère est à 6,7% pour 2% comme seuil d'urgence définie par l'OMS. Je prends la, malnutrition aiguë globale, c'est-à-dire la forme modérée et la forme, la forme sévère associée. À ce niveau, l'OMS définit le seuil d'alerte. Dès qu'on a franchi les seuils dès qu'on atteint le seuil de 10%, alors là, il y a alerte selon l'OMS. Et dès qu'on atteint le seuil de 15%, il y a une urgence. Et au Niger, actuellement, le taux global pour tous les pays, nous sommes à 15%. Alors, tous les pays est en urgence en matière, effectivement, de la malnutrition, n'est-ce pas, chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pas seulement cet aspect de la malnutrition aiguë globale. Il y a l'autre forme de malnutrition, n'est-ce pas, qui pose sérieusement des problèmes, surtout de développement. C'est la malnutrition chronique. Elle, la malnutrition chronique, sa proportion est aussi inquiétante parce que plus de 40% des enfants de moins de 5 ans sont atteints de la malnutrition chronique. Et les conséquences de la malnutrition chronique, c'est des conséquences qui sont irréversibles sur l'enfant. Un enfant atteint de la malnutrition chronique peut avoir des troubles d'apprentissage. C'est des enfants pratiquement qui vont avoir de sérieux problèmes parce que c'est surtout dit au problème d'apport à micronutriments, à vitamines. Il y a beaucoup de carences en micronutriments, surtout en oligo-éléments et en vitamines et ces, ces, ces, carences-là sont pratiquement irréversibles. Ces genre des enfants auront du mal à grandir, auront des problèmes d'apprentissage dans l'avenir même s'ils vont devenir grands et peut-être développement d'autres maladies dit évidemment à cette malnutrition qu'ils ont développée à leur enfance. Vous avez parlé d'autres maladies qui pourront être provoquées par cette malnutrition. Euh, chronique, lesquelles En fait, la malnutrition de manière globale, pas même la chronique, euh, de manière générale, la malnutrition, en elle, elle constitue évidemment une immunodéficience. Qu'est-ce que j'appelle immunodéficience Dès que l'enfant est malnutri, l'organisme ne peut pas faire face à pratiquement beaucoup de maladies. Son système de défense est affaibli. Alors, c'est devenu une porte d'entrée à beaucoup de maladies. Comme vous partez dans des centres de récupération nutritionnelle, surtout ceux qui sont en interne, n'est-ce pas Je voulais parler de crénies. Vous allez trouver que c'est des enfants qui sont mais à côté de la malnutrition aussi, c'est greffé d'autres maladies comme la diarrhée, les infections respiratoires. Est-ce qu'on euh, pourrait dire que euh, certains aliments peuvent aider à prévenir peut-être en ayant une alimentation riche pour prévenir la malnutrition, c'est vrai, on dit c'est l'apport alimentaire. Mais l'apport alimentaire, à lui, n'est pas véritablement la seule cause de la malnutrition. Il faut prendre la malnutrition sous l'angle multifactoriel de la chose. Je pense que les causes de la malnutrition sont connues. Et ce qui a fait que tout sous ces temps, nous n'avons pas évolué, n'est-ce pas, dans la lutte contre évidemment ces fléaux, c'est parce que beaucoup se focalisent spécifiquement sur l'aspect alimentaire. S'il faut faire une lutte contre la malnutrition, il faut faire une lutte intégrée de manière multisectorielle. Parce qu'il faut prendre tous les facteurs. D'abord, quand vous prenez la, cause immédiate de la malnutrition, c'est, comme vous l'avez dit, l'apport alimentaire, il faut bien prendre son alimentation et donc assurer la sécurité alimentaire. Mais de l'autre côté, il faut aussi lutter contre la maladie. C'est ces deux aspects qui constituent véritablement les cause immédiate de la malnutrition. En fait, c'est justement là, moi, que je voulais en venir. Concrètement, quels sont les types d'aliments qui sont peut-être conseillés. Il est dit de prendre une alimentation équilibrée, variée, n'est-ce pas, qui est là et que tout le monde connaît. Dans l'alimentation journalière d'une personne, la personne doit apporter d'abord le glucide à une certaine proportion. On dit 50 à 55% de glucides. Il faut apporter 30 à 35% de lipides et 10 à 15% de protéines. Ça, c'est ça l'équilibre alimentaire, mais aussi apporter surtout pour les enfants suffisamment de vitamines et de loligo éléments Par exemple, le fer. S'il y a une carence en fer fréquemment, on voit des enfants des femmes qui tombent évidemment en anémie à la carence en fer, à la carence en zinc. Donc, il faut savoir utiliser. Et là, je pense qu'il va falloir mettre en place une politique pour une éducation nutritionnelle soutenue, pas même chez les enfants, chez toute la population. Ça, c'est un sérieux problème, surtout chez nous, dans nos pays au Niger. Je pense qu'il va falloir évidemment eh, se focaliser sur cet aspect d'éducation nutritionnelle. Mais un autre volet aussi de la sécurité alimentaire qu'il va falloir avoir, c'est la stabilité. Voyez-vous, dans nos régions, peut-être maintenant, il y a des périodes qu'on appelle période de soudure la malnutrition ne fait que monter en termes de prévalence et c'est parce que tout simplement les greniers sont au bas. Donc il faut prendre des mécanismes pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, la disponibilité de cette alimentation pendant toute l'année en tout temps. Donc c'est ces quatre aspects de la sécurité alimentaire qu'il faut assurer. Est-ce qu'un enfant qui n'a, qui n'a pas été allaité au sein, qui n'a pas bénéficié d'un allaitement maternel exclusif est exposé à la malnutrition Sans doute. Ça, c'est des études qui l'ont prouvé. L'ancêtre l'a publié. On parle de l'ange, c'est-à-dire l'alimentation de nourrissons et d'hygiène à enfants, où il est recommandé d'alimenter, d'allaiter exclusivement l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois au lait maternel et de commencer l'alimentation. et L'alimentation de complément de 6 mois jusqu'à au minimum 24 mois. Les études l'ont prouvé et ça permet véritablement de réduire, n'est-ce pas, la malnutrition dans toutes ses formes. La politique nutritionnelle du pays s'appuie beaucoup sur cet aspect d'ange comme étant un mécanisme, en tout cas de prévention parce que son efficacité a été prouvée dans beaucoup d'endroits. Quand vous parlez d'aliments, de compléments, on peut citer quel type d'aliments Le maïs, le mil, l'œuf euh, On peut aussi plusieurs variétés d'aliments. Le complément alimentaire chez les enfants, c'est de manière progressive en fait qu'on les amène. Je dis de 0 à 6 mois, l'enfant ne doit prendre que le lait maternel de manière exclusive. Maintenant, à partir de 6 mois, pratiquement jusqu'à 9 mois, il faut commencer à lui apporter d'autres éléments, genre purée, vous faites des purées de légumes, vous lui apportez en forme de purée. À partir de 9 mois, vous commencez encore à ajouter d'autres choses, les protéines, des protéines surtout animales. Quand je prends, comme tu as parlé de l'œuf, poisson, il faut lui apporter ça jusqu'à pratiquement un an où il faut essayer de lui tenter les plats, n'est-ce pas, euh, familial, l'alimentation familiale, mais en évitant de lui donner ce que vous consommez en excès, genre épices et tout ce que vous voulez. Donc c'est de manière progressive, effectivement, que l'alimentation de compléments est introduite chez l'enfant. Mais tout cet aspect est pris en compte dans l'âge. C'est pour ça, en tout cas, on est en train de mettre le paquet sur ces volets anges, n'est-ce pas, au niveau des agents de santé et même au niveau de la communauté pour que, n'est-ce pas, ça soit vulgarisé à large échelle afin de pouvoir réduire, n'est-ce pas, la prévalence de cette malnutrition, surtout la forme chronique. Docteur, comment reconnaît-on un enfant atteint Quels sont les signes qui nous permettent d'identifier qu'un enfant est atteint de malnutrition les signes qui permettent de reconnaître un enfant atteint de malnutrition, bon ben, c'est les signes euh, anthropométriques. Hein. Anthropométrie, d'abord, il faut prendre le poids de l'enfant, la taille et l'âge de l'enfant. C'est ce qui nous permet de définir parce que les trois formes de la malnutrition l'insuffisance pondérale. Donc, c'est cet aspect qui nous permet d'identifier ça. C'est les gens, en tout cas des spécialistes, les agents de santé connaissent comment les rapports poids-taille, ça, ça permet de définir la malnutrition aiguë dont on a fait cas, la aiguë sévère et l'aiguë modérée. C'est des choses qui sont là, peut-être on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a d'autres enfants qui sont eh, plus petits que leur eh, taille. Donc s'ils sont plus petits que leur taille, c'est ça qu'on appelle la malnutrition chronique. Et il y a d'autres qui sont aussi plus petits que leur âge, c'est ça l'insuffisance pondérale. Mais dans d'autres circonstances, où on peut, dans une communauté beaucoup plus large, si on veut faire un dépistage, c'est ce qu'on appelle le dépistage actif. On vient dans une communauté, on voulait apprécier l'ampleur de la malnutrition, on peut prendre juste ici le périmètre brachial au niveau du bras, mesure effectivement la circonférence et en fonction de ça aussi, il y a des normes. Si ça atteint certaines certaine euh, normes, on dit que l'enfant est malnutri et là, ça permet de l'orienter vers le centre de santé pour pouvoir beaucoup plus poser, n'est-ce pas, diagnostic en termes anthropométriques pour pouvoir confirmer, n'est-ce pas, cette euh, malnutrition. Comment se fait la prise en charge d'un enfant atteint de malnutrition La prise en charge de la malnutrition, elle est nutritionnelle et médicale. Médicale, s'il y a des maladies associées. Il ce qu'on appelle le traitement systématique des médicaments qu'on donne, mais c'est surtout la prise en charge nutritionnelle sur la base effectivement des intrants alimentaires. Ça varie si c'est la modérée, assez ce qu'on donne peut-être c'est des rations, euh, SSB, le d'autres train aussi sous forme de biscuits, le plan pinate, le supplémentaire et tout ça là qu'on donne en fonction évidemment de la forme de la malnutrition. Tout ça c'est au niveau des centres de santé et les entrants en tout cas pour la prise en charge, que ce soit médicale ou alimentaire, sont disponibles. Il suffit seulement que l'enfant parte là-bas, on diagnostique la malnutrition et on va les prendre en charge de manière gratuite. Merci docteur. Merci bien. Docteur Momonsani, médecin nutritionniste au district sanitaire Niamey 1, il est interrogé par Diallo Marem Kenda. Parlons sport à présent, en football, Lionel Messi a annoncé hier dimanche qu'il mettait fin à sa carrière en sélection. Et c'est là quelques heures seulement après la défaite de l'Argentine face au Chili en finale de la Copa América. Celui qui est souvent présenté comme le meilleur joueur de la planète avait raté l'un des deux tirs au but argentin manqué et n'a pas réussi à offrir à l'Argentine son premier titre depuis la Copa América de 1993. La sélection, c'est fini pour moi. C'est la quatrième finale que je perds, la troisième de suite, a-t-il expliqué en référence aux défaites en finale du mondial 2014 et des Copa América 2015 et 2016. Lionel Messi, un footballeur de renom dont les fans se comptent par milliers au Niger, à l'image du portugais Cristiano Ronaldo. Quelle analyse faire de cette annonce de Lionel Messi d'arrêter de jouer sous les couleurs de l'Argentine À ce sujet, Mokhtar Amadou s'est entretenu avec un chroniqueur football de football, Hasmi Abdoulaye. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux que Messi dise qu'il quitte l'équipe nationale. C'est que quand on perd une finale, deux finales, voire trois finales, c'est frustrant. On a l'impression que tout ne vous réussit pas. Mais je crois que Messi doit faire la part des choses pour dire qu'il est encore jeune que s'il quitte aujourd'hui l'équipe nationale de l'Argentine, l'équipe nationale de l'Argentine n'aura plus de sens, tout comme Cristiano Ronaldo avec l'équipe du Portugal. Donc moi, je pense qu'il a tout à donner et moi, je pense qu'il va revenir sur sa décision, même si l'État, même si tout l'ensemble des supporters argentins, même si les personnes ressources argentines vont essayer vraiment de le ramener sur sa décision, comme euh, la France a eu à le faire avec euh, Zidane en 2006, ou bien le Cameroun avec avec Roger Mila en 90. Donc c'est vraiment, on a vu ça, même récemment, Mazo a dit qu'il laisse l'équipe nationale du Niger, mais pourtant on l'a négocié, les revenus. Donc moi je pense qu'il est sous le coup de la frustration, de l'échec pour avoir perdu trois finales, mais je pense qu'il va se raviser et revenir. Est-ce que cette décision aura une conséquence euh, aussi sur euh, son club, euh, le Barça Non, au contraire, ça va même arranger l'FC Barcelone parce que Messi va uniquement se consacrer sur les performances avec le FC Barcelone parce que il va se dire que bon, si la décision tient, j'espère que pour la beauté du football, pour le plaisir des amateurs du football, Messi ne doit pas laisser l'équipe argentine. Mais pour le FC Barcelone, je crois que quand un joueur quitte la sélection pour se consacrer à son club, ça veut dire qu'il va tout donner, tout ce qu'il reste encore dans les jambes, il va donner ça à son club. Donc si Messi arrête euh, avec l'Argentine, ça va arranger le FC Barcelone parce que Messi va encore donner son meilleur au FC Barcelone. Mais encore, je reviens sur vraiment cette décision. Je pense que Lionel Messi, qui est aujourd'hui l'un des plus grands joueurs au monde, va revenir sur sa décision. Est-ce que cette décision aura aussi des conséquences sur euh, son équipe, sur son équipe euh, nationale de football, à savoir euh, l'équipe d'Argentine Ouais, je pense que ça aura beaucoup d'impact parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un joueur de carrure internationale, de du talent aussi en tout cas fusion que celui de Messi en équipe argentine. Aujourd'hui, on a vu quand il n'était pas là, l'équipe euh, avait des problèmes pour démarrer, avait des problèmes vraiment pour jouer. Et là, quand il était venu, l'équipe a retrouvé en tout cas a carburé à 100% jusqu'à la finale. Et aussi, vous savez, Messi, c'est le spécialiste des coups francs. Aujourd'hui, en Argentine, il n'y a pas. Et Messi, c'est le spécialiste des passes décisives. C'est le meilleur euh, à la Copa América. Aujourd'hui, si Messi quitte, seul Di Maria ne peut pas faire le travail. Pour les trois ans à venir, pour moi, il n'y aura pas un joueur aussi talentueux en équipe d'Argentine euh, que Lionel Messi. C'est comme quand, en 94, euh, lors de la Coupe du Monde, lorsque Diego Maradona avait quitté, avait été suspendu, vous avez vu l'Argentine ne vaut rien. Ce sera la même conséquence parce que ce sont des joueurs vraiment phénoménaux, c'est des génies du football. Et je pense que ça aura beaucoup d'impact. L'équipe, pour moi, l'équipe d'Argentine va se réduire à 50% si Messi quitte. Vous ne croyez pas à la bonne sincérité de Lionel Messi Non, je ne crois pas parce que, vous savez, Messi, c'est, c'est un champion, c'est un, un, gagneur. Il a tout gagné en club. Pour être aussi grand en matière de football, il faut gagner quelque chose avec son équipe nationale. Maradona, en 86, a eu à le faire. Jusqu'à présent, c'est ça qui, en tout cas, retarde. Sinon, en club, Messi a tout gagné. Maradona n'a pas tout gagné parce que Maradona n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais Messi a, trois Ligues des Champions. Messi a gagné sept Ligas. Messi a gagné eh, cinq Coupes d'Espagne, trois Coupes intercontinentales. Donc en club, il n'y a pas match. Il a tout gagné. Maintenant, pour, être, pour avoir la consécration d'un joueur planétaire, il faut obligatoirement une consécration avec son équipe nationale. Et là, Messi est allé à trois finales et jusqu'à présent, il n'a pas gagné. Ça fait très mal en tant que champion, en tant que celui qui est habité à gagner. Ça fait très mal. Mais je pense que... En tout cas, les bonnes volontés vont le faire revenir à ses décisions. Sinon, nous, les amateurs du football, on est vraiment, on sera très déçus si Messi quitte rapidement eh, l'équipe nationale d'Argentine parce qu'il n'a que 27 ans et on peut jouer. J'ai vu, il y a un joueur qui a joué jusqu'à 50 ans, Stanley Matthews, l'anglais. Il y a Roger Mila, c'est le, le, plus vieux buteur de la Coupe du Monde. Il a été à 42 ans. Donc, je pense que Messi, qui a 27 ans, a tout à donner. Vous venez de suivre Hassoumi Abdullah, chroniqueur sportif. Il répondait aux questions de Mokhtar Hamadou. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme du forum de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et bonne rupture à tous et à toutes. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Niamey. Sur la radio alternative. 99.4 FM. À Zender. Sur la radio Choukra FM. 105.5 FM. À Dosso. Sur la radio Farah. 92 FM. À Tawa. Sur la radio Tambara. 107 FM. À Arlit. Sur la radio Ikokan. 95.1 FM. À Agadez. Sur la radio Nomad FM. 101.9 FM à Tilabéri. Sur la radio Téboissé. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Agadez. Sur la radio Nomade FM. 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalaka. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Mediocre.